Quand le fleuve disparaît, les populations riveraines risquent de se déplacer et aller s'installer dans les zones euh, à production agricole favorable. Donc euh, tout le monde est concerné par euh, ce phénomène d'ensablement du fleuve Nunuel. C'est dans ce sens que notre ONG entend aller vers d'abord la population, les populations concernées pour deux actions. D'abord une sensibilisation sur la pollution de l'environnement en tant que tel, parce que c'est de là la question. Cet environnement, vu l'accroissement démographique de la population galopante, euh, on constate qu'à chaque année, il y a des espaces euh, qui sont euh, détruits pour l'accroissement de, de leur production agricole. Donc quand la population augmente, il y aura toujours des problèmes de l'environnement parce qu'ils vont occuper une bonne partie. Et les parties occupées sont les parties favorables à la protection du, fleuve Niger. Parce que quand la pluie tombe, s'il n'y a pas de, couvert végétal, donc euh, les eaux de ruissellement vont euh, entacher beaucoup de, déchets et, qui seront écoulés dans le fleuve Niger. Et c'est déjà qu'on marque dans certains endroits, sur le euh, lit du fleuve Niger, des endroits complètement dégradés, des dunes de sable qui ne disparaissent pas, même en période de crue. On les, constate. Les pêcheurs qui sont constamment sur le fleuve les remarquent dans beaucoup d'endroits sur le fleuve Niger, même en période d'août et septembre où eh, il y a une euh, haute montée de, euh, de, de l'eau dans le fleuve Niger, on constate euh, ces espaces de dunes-là qui ne disparaîtront pas. Voilà en quelque sorte l'action que mène, euh, je dis une action de sensibilisation d'abord et une action sur le terrain. Parce qu'il faut montrer à la population les causes, les, causes et les conséquences et les aider à, surmonter les difficultés. À, surmonter ces difficultés-là. Il ne faut pas seulement parler et disparaître. Il faut aller avec eux. Parce que c'est ce qu'on remarque souvent. La, sensibilisation uniquement ne, ne suffit pas. Il faut aller avec euh, constamment avec eux, euh, avec euh, des spécialistes de terrain